Bon, moi, je pense qu'au Niger, dans le milieu rural en général, la pratique s'observe à tous les niveaux. Dans presque tous les milieux ruraux, c'est la famille qui crée les conditions dans lesquelles le couple va vivre. Et c'est pourquoi la fille ayant observé elle-même comment elle est arrivée, tu vois, donc on est obligé de parler souvent de ce que les gens ne veulent pas entendre, de la domination légitime. Elle doit être redevable vis-à-vis d'un tel ou d'un tel. Et de facto, elle se laisse dominer légitimement, comme on dit.